le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou 18h passé de 16 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou. Les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum avec le Niger qui est à Genève devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU depuis hier pour l'examen de son rapport sur l'application de la Convention pour la protection des droits, des droits des migrants et des membres de leur famille. Ensuite, avec le président de la coalition des organisations nigériennes des droits des enfants, nous parlerons de la persistance du phénomène du mariage des enfants au Niger. Et enfin, nous parlerons également de l'hypertension artérielle, une pathologie cardiovasculaire définie de cette pression artérielle trop élevée. Je le disais tantôt, euh, le Niger et à Genève devant la Commission des droits de l'homme de l'ONU depuis hier pour euh, l'examen de son rapport sur l'application de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le chef du projet Migration à l'ONG Alternative Espace Citoyen, Kerno Amadou, a participé aux travaux de validation de ce rapport d'une euh, soixantaine de pages. Selon lui, malgré l'existence du cadre juridique sur la protection des droits des migrants au Niger, la réalité est tout autre sur le terrain. On l'écoute. Amadou, bonjour. Bonjour. Depuis hier, euh, le Niger est à Genève pour l'examen de son rapport euh, sur la Convention euh, sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Vous, vous êtes acteur de la société civile, vous avez participé aux travaux de validation de ce rapport. Que dit ce rapport concrètement avant tout propos, je voudrais quand même euh, relever que cette réaction au rapport préliminaire du Niger sur la mise en œuvre euh, de la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille est une réaction pour enrichir un document. Cela d'autant plus que, comme vous l'avez dit, le ministère de la Justice nous a invités à participer à l'atelier de validation de ce document. C'est vrai, cela a été fait un peu au pas de course. Je précise aussi pour noter que le gouvernement avait pris préciser que la société civile euh, dans le document a été invitée à participer à la collecte des données. Cela n'a pas été le cas pour notre organisation. Mais bref, on a été associé à l'atelier qui était tenu à Dosso avant que le gouvernement lui-même n'envoie euh, le document et que euh, la mission parte donc pour Genève une forte délégation qui doit donc présenter ce document et répondre donc aux questions posées par les experts du Comité des droits de l'homme de l'ONU à Genève. C'est vrai que le Niger précise que depuis euh, qu'il a adhéré à ce document international, il n'a pas présenté de rapport pour des raisons qu'il a eu à expliquer, notamment l'inexistence d'une structure spécialisée dans la production des rapports, mais également peut-être le manque de moyens mis à disposition du comité. Est-ce que c'est les cadres compétents qui manquent ou bien les ressources financières qui bloquent le document donne lui-même la réponse. Il dit que ça s'explique par l'inexistence d'une structure spécialisée chargée de la rédaction des rapports. Vous savez que le Niger est État partie à plusieurs traités internationaux qui lui font obligation, après une certaine période chaque fois, à rendre compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce document. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que certains textes internationaux notamment la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, est un texte en fait qui est méconnu, même si euh, le texte lui-même fait obligation aux États dans le cadre de sa mise en œuvre à ce qu'il le fasse connaître au public et aux gens chargés de le mettre en œuvre. Il y a une disposition comme ça qui fait obligation aux, États de se soumettre à cela. Mais voilà en tout cas la réponse donnée par le Niger qui aujourd'hui se met donc dans la posture de remplir ses engagements et donc de présenter ce rapport. Le gouvernement a dit aussi, comme je l'ai dit, l'élaboration de ce document-là a été faite de manière participative. Mais nonobstant tout cela, nous, nous avons quand même, en tant qu'organisation de la société civile, même si nous n'avons pas eu à élaborer un apport alternatif, comme c'est souvent le cas. Nous avons quand même quelques observations qui peuvent être de nature à améliorer le document. Et c'est pour cela aujourd'hui que nous faisons ces observations-là. Quelles sont ces observations qui peuvent un peu enrichir euh, ou bien amender ce document je précise déjà que quand moi je lis le document, j'ai rêvé qu'il contient beaucoup d'informations précieuses sur la situation de la migration au Niger, sur le cadre juridique de manière générale. Il est structuré en fait en deux grandes parties. Et en deuxième partie, vous avez les réponses apportées par le Niger à la liste des, questions posées par le comité. Donc, il donne une indication des progrès réalisés par le Niger depuis que notre pays a adhéré et a ratifié donc ce texte-là dans le sens de la réalisation des droits. On peut en voir euh, quelques exemples de ces progrès Oui, quand nous, nous avons lu le document, nous avons remarqué que le Niger a mis en place euh, l'arsenal euh, juridique qui permet de satisfaire à la mise en œuvre des droits de migrants. Le gouvernement a rappelé un peu toutes les dispositions, la constitution, les traités internationaux auxquels il est parti, les textes communautaires auxquels le Niger est parti, la charte africaine, le protocole de la CDA, etc. Même si on peut faire toutes les observations sur l'état de mise en œuvre. Est-ce que tous ces droits sont respectés sur place On ne peut pas le, dire parce que nous avons beaucoup de difficultés notamment au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que nous sommes d'accord avec les autorités dans nos pays que l'application de ces textes-là pose problème. Notamment, il y a aujourd'hui beaucoup d'entraves à la mise en œuvre de la liberté de circulation en Afrique de l'Ouest, par exemple. L'autre chose aussi, nous l'avons eu à le dire, c'est les problèmes liés à la mise en œuvre au respect du droit à la mobilité à l'échelle mondiale, compte tenu des pressions des pays du Nord, notamment des pressions de l'Union européenne sur nos pays, qui veulent en fait que les pays euh, dits émetteurs de migrants retiennent les ressortissants à l'intérieur des frontières. Maintenant, sur les manquements relatifs aux documents, je pense que le Niger a répondu, par exemple, à la première question, qu'il n'a pas encore adopté de politique et stratégie relative aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. La raison, il dit qu'il n'y a pas un comité spécialisé, on en a parlé tout à l'heure. Néanmoins, le Niger dit qu'un comité interministériel a été mis en place en vue de l'élaboration d'une politique nationale de la migration. Ce que nous, nous voulons dire d'abord à ce niveau, c'est le fait que même s'il y a des membres de la société civile dans ce comité interministériel autour des ministères clés en charge de la gestion des migrations, c'est que ce comité, en tout cas les organisations de la société civile qui sont là-bas, ne sont pas représentatives des organisations qui travaillent pour la protection des droits humains et en particulier la protection des droits humains des migrants. Je pense que de ce point de vue, c'est assez clair. L'autre chose aussi, le rapport ajoute que le Niger a présenté un document au sommet de la Valette avec un certain nombre de médias. Vous vous souvenez déjà de l'appel lancé par le président de la République, la demande du Niger d'accéder aux fonds qui sont prévus dans le cadre du fonds fiduciaire. On en a assez parlé sur. Mais nous, ce que nous retenons en lisant par exemple les axes d'intervention du gouvernement, il apparaît pour nous que le Niger est en train de collaborer à la mise en œuvre des politiques répressives de la migration irrégulière. Euh, aux politiques donc européennes de contrôle des frontières qui ont des conséquences malheureusement préjudiciables sur les droits des travailleurs migrants. Quelles peuvent être ces conséquences euh, pour le Niger la première des choses, déjà qu'on dit que les ressortissants nigériens, et c'est ce qu'on constate un peu, il y a une sorte de frein au mouvement des personnes dont on pense qu'ils sont des candidats potentiels à la migration ou vers les pays du Maghreb ou vers les pays du Nord. Donc, il y a des restrictions à la libre circulation et au droit à la mobilité. Ça, c'est un problème parce que ça amène le gouvernement à ne pas respecter ses engagements internationaux, communautaires, mais aussi inscrits dans la constitution du Niger. Donc, ça fait problème. L'autre chose que nous relevons, c'est le manque euh, d'informations du gouvernement sur la stratégie qu'il entend mettre en œuvre de lutte contre la, migration irrégulière. Pourquoi nous le disons En tout cas, au niveau de la société civile, le gouvernement d'où lui-même qu'il est en train de travailler là-dessus avec l'appui de l'OIM et de l'Union européenne. Le rôle joué par ces deux organisations, en tout cas, fait craindre que dans la définition de l'agenda du Niger, en ce qui concerne les priorités de notre pays, la question des droits des migrants risque d'être reléguée au second rang. Et ça, ça pose problème parce que la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille fait obligation normalement au gouvernement de respecter les instruments juridiques internationaux des Nations Unies et ceux régionaux, notamment, comme je le disais tout à l'heure, la Charte africaine sur les droits de l'homme et des peuples et le protocole de la CDAO sur la libre circulation. Au lieu d'avoir comme boussole le respect de ces textes-là, le gouvernement semble, de notre point de vue, répondre purement aux priorités européennes qui visent, et c'est ça que dit le document, la répression de la migration irrégulière, en particulier vers l'Europe. Est-ce que cela a des conséquences pour nous autres Nigériens ici au Niger Oui, ça pose problème parce que vous le voyez bien, dans le cadre, par exemple, de la gestion de la migration entre l'Afrique euh, subsaharienne et le Maghreb, vous avez vu que depuis 2004, euh, le Niger est en train de procéder à une opération de rapatriement, entre guillemets, forcé de ses ressortissants vivant en Algérie. Nous avons battu, sur le chiffre de 3000 annoncés, un record de près de 9000 personnes qui ont été ramenées et qui, pour certains, dans la plupart des cas, où ils restent à Agadez, qui est la dernière grande ville du Nord, ou bien certains étaient de retourner. Ça, c'est la première des choses l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont obligés, ceux qui veulent coûte que coûte partir, à cause des problèmes qu'ils ont laissés derrière eux, contournent finalement les postes d'entrée officiels, les routes officielles. Et ce qui est dommage, ils se retrouvent donc euh, sur des routes dangereuses et certaines, malheureusement, et c'est les, les, informations que les gens ont de plus en plus perdent la vie dans le Sahara ou sur les côtes européennes. C'est ça aussi euh, une des conséquences fâcheuses de l'enfermement le Niger est une zone de transit euh, pour les migrants. Faut-il euh, laisser tous ces migrants passer ou bien euh, faut-il les faire retourner chez eux je pense qu'il ne faut pas poser les choses de cette façon. Il faut s'en tenir à ce que disent les textes internationaux, communautaires et ce que dit la constitution nigérienne. Ce que nous savons au niveau international, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme qui permet à tout citoyen de quitter son pays et de revenir quand il le désire. Donc ce texte là consacre le droit à la mobilité. Toute autre chose qui est faite constitue une violation de l'article 13 de la DIDH. Au niveau communautaire, ce que nous avons depuis 1979, c'est le protocole de la CDAO. Il permet la libre circulation des personnes et de leurs biens et de l'argent même, parce qu'il y a eu plusieurs protocoles additionnels, donc qui consacrent le droit à la libre circulation des personnes et de leurs biens. Il faut le respecter, sinon ce serait se soustraire à ces engagements communautaires. Il y a aussi nos textes qui doivent aller dans le sens de nos engagements internationaux. Et vous le savez, même si les textes du Niger font des restrictions, vous savez qu'il y a le fait que les textes internationaux sont supérieurs aux textes nationaux. Donc le Niger est obligé de se conformer à cela. Sans cela, on n'est pas sur euh, le chemin qui a été est-ce que tout cela euh, est pris en compte dans ce rapport Bon, il y a beaucoup de choses. Euh, moi, j'aurais voulu, par exemple, qu'on essaie de suivre un peu les questions posées par le comité, de regarder quelles réponses le Niger a données et qu'est-ce que nous, nous pensons de ces réponses. Je donne un exemple. Le comité, par exemple, a demandé au Niger de donner des informations sur les flux migratoires. Vous avez vu aujourd'hui dans tous les discours, on parle de nombre important de personnes candidats à la migration, entre guillemets clandestine, quelque chose d'abord qui n'est même pas légal. À cette question, on demande aussi au Niger de fournir les informations sur les mesures qu'il a eu à prendre pour mettre en place un système cohérent de collecte de données. Vous allez être curieux de savoir quelle est la réponse du gouvernement dans ce rapport. Le rapport répond en citant l'OIM qui dispose, lui, d'un système de monitoring des flux migratoires depuis seulement février 2016. Plus loin, vous trouverez que le rapport du gouvernement cite OCHA, et il reconnaît lui-même que les chiffres communiqués par ces structures, notamment l'OIM, sont en deçà des réalités parce qu'ils ne peuvent répertorier que les migrants qui passent par les endroits où ils ont mis en place un dispositif de collecte d'informations. Cela nous fait croire, nous, organisations de la société civile, que le Niger ne dispose pas d'un système fiable de collecte de données sur la migration. Et nous pensons que c'est inquiétant parce qu'un gouvernement, normalement, pour mettre en œuvre ses politiques, public de gestion de la migration doit avoir un système fiable de collecte de données. On peut comprendre qu'une organisation de la société civile qui s'intéresse n'est pas les moyens pour récolter, mais le gouvernement, nous, on pense que ça pose euh, problème parce qu'il ne faut pas se fier aussi à des informations qui peuvent être communiquées par des organisations, quelles qu'elles soient. Par rapport aux flux des migrants, est-ce que euh, les migrants qui utilisent les voies de contournement, puisqu'il y a des voies de contournement, est-ce qu'ils ne sont pas pris en compte euh, dans ce rapport? Non, le Niger a essayé de donner des informations, mais il cite l'OIM, comme je l'ai dit. Et l'OIM a un système de monitoring de collecte de données, donc ils ont dû placer des agents à certains endroits avec les moyens qui leur sont propres pour regarder quel est le flux réel des personnes qui partent, mais aussi ceux qui reviennent. Nous, on pense que donc il reconnaît que son système de collecte d'informations n'est pas fiable. Ce qui ressort dans le rapport, on l'avait dit, c'est vraiment tout l'arsenal, la législation existante qui permet un peu de regarder si le niveau de jouissance des droits des migrants est respectée ou pas. Donc, dans un pays aux frontières aussi poreuses, c'est vrai que notre pays est pauvre, il n'a pas les moyens, mais je pense que ce serait très ambitieux de penser qu'on arrive à contrôler nos frontières, à savoir quelles sont les personnes qui rentrent et qui sortent. on vous remercie. Merci aussi. C'était là Kerno Amadou, chef de projet Migration d'alternative espace citoyen relativement au rapport du Niger sur la Convention pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. La suite euh, de ce forum euh, depuis lundi se tient à Maradi, un atelier de formation des journalistes sur le mariage des enfants. À l'issue de cet atelier qu'organise euh, l'UNICEF en partenariat avec le ministère de la Communication, les journalistes devront réaliser des reportages afin de sensibiliser les populations sur ces fléaux. Selon Moussa Sidikou, président de la coalition des organisations nigériennes des droits des enfants Niger. Le Niger est en tête au niveau continental avec 75% euh, d'enfants mariés. Moussa Sidikou revient également sur les raisons qui expliquent la persistance de cette situation. Je rappelle ici que le ministère en charge de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, qui a le lead sur cette question donc euh, du mariage des enfants, a reçu il n'y a pas très longtemps le rapporteur spécial euh, de la Commission de l'Union africaine sur le mariage des enfants, qui a effectué effectivement courant août une mission euh, de suivi des engagements pris par le Niger après le lancement donc de la campagne pour mettre fin au mariage des enfants. Et une des recommandations qui était sortie de cette rencontre avec la rapporteure spéciale, c'est la mise en place d'un cadre fédérateur des initiatives. Alors, quand on parle de mise en place d'un cadre fédérateur, on fait allusion à une synergie des actions. Et je me réjouis euh, que le ministère euh, de la population, euh, de la promotion de la femme, protection de la femme plutôt, a déjà pris un arrêté pour mettre en place un comité national de coordination des actions visant à mettre fin au mariage des enfants enfants dans notre pays. Parce que je rappelle au passage qu'il y a déjà également un, réseau, c'est le Forum des journalistes et communicateurs sur les droits de l'enfant, le FJDCE, qui est aussi très actif sur cette question-là et qui a toujours été aux côtés de la CONID dans nos combats. Donnez-nous la position ou la place, je dirais, du Niger dans le monde en ce qui concerne le mariage des enfants Alors, très malheureusement, euh, à ce niveau, le bois blesse. Nous occupons la tête de peloton, hélas, parce que, euh, en tout cas, d'après les statistiques, le Niger est euh, en tête au, niveau continental sur ce phénomène-là. Nous tournons autour de 74 à 75 du taux d'enfants qui se marient avant l'âge de 18 ans. Et je pense que cela n'est pas acceptable au 21 siècle, où aujourd'hui on parle beaucoup plus euh, d'égalité, on parle beaucoup plus d'équité, on parle beaucoup plus de genre, il est inadmissible aujourd'hui que dans la dynamique de développement économique, social et culturel du Niger, que cette frange-là ne puisse pas avoir les mêmes chances que la gente masculine pour pouvoir effectivement aller à l'école, pour pouvoir également atteindre en tout cas des niveaux d'études euh, satisfaisants et pouvoir également contribuer économiquement à travers en tout cas leurs connaissances à développer notre pays. Et la question question que j'ai envie de vous poser là tout de suite, c'est quelles sont les raisons qui aujourd'hui font que le Niger est en tête en ce qui concerne les, mariages précoces euh, La raison fondamentale, c'est que la question de la vulnérabilité est toujours mise donc euh, au premier niveau, notamment la question de la pauvreté, mais il y a également la question de l'ignorance, mais aussi la question, euh, si vous voulez, culturelle dans certaines communautés. Dès que l'enfant a un certain âge, on lui attribue déjà un mari à bas âge. je crois que ces phénomènes là se sont perpétués et ça nous a euh, finalement envahis. Mais l'autre chose, c'est que il y a un, tabou autour de la question. Il y a aussi absence de volonté politique des pouvoirs publics euh, jusqu'à une date récente pour véritablement légiférer sur la question. Et ce qui est paradoxal, c'est que notre pays est un très très bon élève en matière de ratification des protocoles ou des conventions de portée régionale ou internationale. Et de ce fait, le Niger fait partie en tout cas des 194 pays qui ont ratifié la convention internationale relative aux droits de l'enfant et fait également partie des 47 pays sur les 57 euh, du continent africain qui ont ratifié la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Selon qu'on soit du côté de la convention ou de la charte africaine, il est clairement stipulé que l'enfant, c'est cet être humain qui est dans l'âge est compris entre 0 et moins de 18 ans. Ça veut dire quoi cela Ça veut dire que il est impossible, j'allais dire même interdit, qu'un enfant puisse être épouse parce que la place de l'enfant et à l'école ou dans une formation professionnelle et non pas dans un foyer pour être en tout cas mère de famille. Monsieur du est-ce que vous insinuez par là que les pouvoirs publics ou les autorités elles-mêmes euh, ont démissionné de leur responsabilité de garantir les droits de ces enfants Absolument, absolument, parce que aujourd'hui, je veux quand même illustrer cette démission-là à travers euh, le projet de code de l'enfant qui est en souffrance depuis 2005. Euh, le Niger, je rappelle au passage, a adopté un code de l'enfant qui détermine quand même l'âge de l'enfant à 18 ans. Mais ce code-là a été techniquement validé et revu en 2011 et jusqu'aujourd'hui dort dans les tiroirs. Il y a également cette nécessité, et je vous renvoie aux recommandations qui ont été formulées au, lors du deuxième passage de l'État du Niger au deuxième cycle de l'EPU en 2016 là, où il y a eu à peu près plus d'une quinzaine de recommandations formulées par différents États à notre à l'endroit de notre enfin de nos autorités ou de notre pays, tendant à légiférer sur la question de l'âge du mariage, tendant également à criminaliser même l'âge du mariage. Et je vous rappelle que si c'est effectivement un prétexte religieux que d'aucuns prétendent, l'Arabie saoudite, c'est là où il y a les lieux saints de l'islam. L'Arabie saoudite à a légiféré sur le mariage des enfants, sur le mariage, et c'est 18 ans révolu. L'Indonésie, c'est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans euh, au monde. Ce pays a légiféré à 18 ans. Il n'y a pas de raison quand vous regardez aujourd'hui les conséquences que cette pratique engendre en termes de coûts financiers à l'État du Niger, c'est faramineux. Aujourd'hui, allez-y dans les grands centres de formation sanitaire, allez-y dans nos hôpitaux, vous allez trouver des villages de fistuleuses. Cela n'est pas acceptable. Cet argent aurait pu, s'il y avait en amont une prévention, aurait pu servir à assurer la gratuité des soins de santé aux enfants, ça aurait pu servir à construire des classes, ça aurait pu construire au développement économique, social et culturel de notre pays. Alors ça veut dire que on va revenir un peu pour parler euh, du ministère même en charge euh, de cette question. Est-ce qu'il y a des lois quand même qui hein, qui sont bien régis, qui protègent l'enfant ou qui sanctionnent euh, le mariage des enfants. Il n'y a pas de loi, il y a un vide juridique très malheureusement parce que il y a le fameux décret Mandel qui date depuis les temps coloniaux. Il y a également le code civil nigérien qui fixe l'âge du mariage pour la jeune fille à 16 ans et pour le garçon à 18 euh, ans. Cela n'est pas acceptable. Et je pense que en matière de protection, c'est à l'État qui est porteur d'obligation de veiller à l'application stricte de tout ce que l'État a ratifié comme engagement au niveau international. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les parents ont donc euh, les mains libres d'agir comme ils le veulent vis-à-vis -vis euh, de ces enfants, de ces jeunes filles qui sont mariées très tôt. Malheureusement, c'est le cas d'espèce. Aujourd'hui, quand une fille a 16 ans, vous ne pouvez rien faire. Même devant les tribunaux, vous ne pouvez pas faire prévaloir une disposition quelconque. Il y a des magistrats qui comprennent souvent, qui effectivement savent que le Niger a adopté la Convention relative aux droits de l'enfant ou la Charte africaine et qui brandissent cela. Mais, je dis encore, les parents peuvent toujours contre-attaquer cette décision-là. C'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut légiférer pour dire de manière assez claire que voilà l'âge autorisé pour le mariage de la jeune fille, c'est 18 ans révolu en deçà de cet âge-là, voilà les sanctions qu'encourent les contrevenants. Ça peut être euh, la belle famille, ça peut être la famille. En ce moment, le juge qui n'est qu'un pratiquant du droit a au moins une référence sur laquelle il peut se baser pour condamner. Mais en l'espèce, il y a un vide juridique, très malheureusement. Est-ce que là euh, ne devrait pas peut-être entrer en scène les organisations qui défendent les droits de ces enfants Bien entendu, nous continuons le plaidoyer parce que c'est ça aussi notre arme. Et je viens de vous dire à l'entente de mes propos que le ministère, en tout cas de la promotion de la femme protection de l'enfant, a déjà pris les taureaux par les cornes en initiant un arrêté qui crée un comité euh, national de coordination des actions visant à lutter contre le malade des enfants. Et je pense que à l'intérieur de ce comité-là, peut-être notre cri de corps, c'est que ce comité-là ne soit pas uniquement un comité composé des membres étatiques parce que euh, je pense que à la lecture de l'arrêté que j'ai vu là, il y a beaucoup plus dans le bureau euh, les acteurs étatiques et la société civile elle est absente et cela je pense euh, n'est pas acceptable si on veut que euh, ce bureau là ait une coloration beaucoup plus démocratique, il faudrait que dans le bureau, au moins qu'une des vice-présidents soit confiée par exemple à la société civile, y compris aussi un poste de rapporteur qu'il faut créer. Et à l'intérieur, nous pouvons mener valablement le combat pour faire des propositions, par exemple, de projet de loi pour effectivement limiter l'âge du mariage des enfants ou en tout cas euh, arrêter un âge minimum consensuel qui est de 18 ans. Au cas où à l'intérieur de ce comité, il y a donc absence de coloration démocratique dont vous venez de parler, est-ce que on peut dire que la lueur d'espoir s'est quand même refermée. Euh, je pense que c'est des hommes qui ont fait ces propositions-là. Nous sommes euh, à l'heure actuelle au stade de proposition. Les membres n'ont pas été encore désignés nommément. Je pense que le ministère euh, devra quand même revenir à des meilleurs sentiments. À défaut, nous allons certainement combattre cet arrêté pour lequel nous pensons qu'il y a quand même une discrimination notoire et que nous saurons accepter le contenu. C'est clair, on est dans un, État démocratique et je pense que nous pouvons aussi, à travers les voies légaux, attaquer cette décision-là. Je pense que ce combat sur la question du mariage des enfants est un combat national et les acteurs de la protection de l'enfant que nous sommes, nous devrons être également, en tout cas, dans une bonne place pour pouvoir euh, faire entendre la voix des sans-voix. Et maintenant, nous voulons un peu savoir au niveau des différentes régions, parce que souvent, on nous fait parvenir qu'il y a certaines régions quand même où le mariage de ces enfants est à un fort taux. Oui, en tout cas, les préoccupations sont beaucoup plus perceptibles à Zender et puis à Maradi pour les régions du centre et beaucoup plus également euh, dans la région de Tilaberi, notamment donc la région de l'ouest. Et je pense que dans ces régions-là, il y a eu déjà euh, quelques actions notamment des actions tendant à organiser les communautés à la base. Il y a eu en tout cas un programme euh, pilote qui, si on a des chances pour que ce programme-là puisse continuer, allait véritablement contribuer à l'éducation de ce phénomène-là. C'est la protection à base communautaire qui fait appel à l'expertise même locale et à l'organisation des communautés en comités locaux de protection de l'enfant, en comité communal de protection, mais également en organisant les enfants eux-mêmes pour qu'ils soient eux-mêmes porteurs de leur propre plaidoyer. Mais en parallèle, il y a également l'implication des radios communautaires à travers le soutien qui est apporté par les collectivités pour que des actions de sensibilisation vont beaucoup plus en direction donc des parents, mais aussi les secteurs alliés, notamment les centres de santé, les écoles, pour que ces structures-là puissent également contribuer aussi. Quand un enseignant voit par exemple un enfant qui est très studieux, qui commence à chuter ou qui s'absente, tout de suite, c'est d'aviser par exemple le comité villageois de protection et voir si ce n'est pas effectivement une tentative de déscolarisation à travers le mariage. Si par exemple au niveau euh, des structures de formation sanitaire, on voit aussi certains symptômes sur les filles, l'agent de santé peut aussi véritablement signalé. Mais l'enfant lui-même peut directement se manifester en rencontrant souvent le maire ou en rencontrant un conseiller ou en se confiant à ses propres collègues qui peuvent être en tout cas des porte-parole pour la défense de leur père. Et je pense que c'est à travers une approche communautaire qu'on peut véritablement combattre ce fléau-là. Il faut que les communautés elles-mêmes comprennent les impacts qui sont liés, ou j'allais dire les conséquences qui vont avec le mariage des enfants. Une dernière question. Pourquoi on ne dit plus le mariage précoce, on parle de mariage des enfants Je pense que ça a plus de portée quand on parle d'enfants. Nous, nous protégeons les enfants. En parlant de mariage précoce, notre cible ne ressort pas. Et je pense que, en disant mariage d'enfants, je pense que ça attire beaucoup plus l'attention et ça focalise beaucoup plus aussi, ça attire l'attention en tout cas des porteurs d'obligations, de nous en tant que société civile, de vous les médias également, parce que la notion de précoce, elle est relative. Mais en France, ça choque plus. En France, ça choque plus. Et comme je l'ai dit, nous sommes par exemple au niveau de la CONID, membres du partenariat mondial pour mettre fin au mariage des enfants, sous le sigle de FIPA épouse ou en anglais Girls Not Brides. La fille n'est normalement pas une épouse. Donc en mariant un enfant, c'est comme vous faites de cet enfant une épouse alors qu'elle a le statut d'enfant, ce qui est répugnant. Président, merci. C'est moi qui te remercie. C'était là Moussa Sidikou, président de la coalition des organisations nigériennes des droits des enfants connus Niger, relativement donc au phénomène du mariage des enfants. Tout autre chose à présent, parlons euh, de santé, parlons de l'hypertension artérielle. L'hypertension, artérielle, une pathologie cardiovasculaire euh, définie par une pression artérielle euh, trop élevée. Et quelles sont les causes et les conséquences de cette maladie Comment se manifeste-t-elle Élément de réponse dans cet entretien de Nafis Adamou avec Dr Yarima Salifou. Bonjour docteur. Bonjour. En tant que spécialiste de la santé, dites-nous quand est-ce qu'on peut parler d'hypertension artérielle et comment se présente cette maladie En définition, c'est toute élévation des chiffres tensionnels supérieure ou égale à 14 pour la maxima et 9 pour la minima. Tension prise chez une personne détendue au repos après à peu près 15 minutes de repos, loin de toute situation d'excitation. Tension prise au deux bras. C'est en grosso modo ça la définition de l'hypertension. Maintenant, l'hypertension en tant que telle, c'est quoi en termes littéraires C'est la pression artérielle. Donc c'est la force avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux, notamment les artères. Donc les artères, c'est les vaisseaux qui envoient le sang au niveau de tous les tissus de l'organisme. Comme euh, tout tuyau dans lequel le circuit est liquide, il y a une pression. C'est cette pression avec laquelle le sang circule dans les vaisseaux qu'on appelle la pression artérielle. Maintenant, l'hypertension, c'est quand cette pression est élevée quelle est la cause euh, de l'hypertension En général, la cause n'est pas connue. En dehors de quelques cas où il y a des problèmes euh, des reins qui peuvent donner une hypertension ou des problèmes de sérénal, c'est une, petite glande qui est à côté des reins, et d'autres pathologies un peu rares qui peuvent donner ce qu'on appelle hypertension secondaire, qui des causes connues contrairement au grand nombre d'hypertension qui sont appelées essentielles. Ça représente à peu près 85% des cas. La cause n'est pas connue. Comment un sujet peut savoir euh, qu'il est hypertendu Il y a un certain nombre de signes qui attirent l'attention vers l'hypertension. C'est essentiellement les maux de tête fréquents, souvent inexpliqués, des vertiges, il y a ce qu'on appelle des palpitations, des exagérations des battements du cœur, souvent fatigue inexpliquée, la personne n'a rien fait, il se sent fatigué, surtout en fin de journée. Donc toutes ces situations conduisent souvent à suspecter l'hypertension, surtout si on est en présence de ce que j'avais appelé tantôt une personne à risque, notamment une personne obèse, une personne de plus de 40 ans, une personne qui a ce qu'on appelle la familiale et qu'il y a des parents hypertendus, frères et sœurs ou des parents directs parce qu'il y a quand même ce sont des, genre de choses qui amènent à penser que la personne est hypertendue et comme c'est quelque chose qui se mesure, il suffit de mesurer. Comment se fait donc cette mesure La mesure, ça se fait avec un appareil qu'on appelle le tensiomètre. Il y en a beaucoup de marques sur le marché. C'est un truc facile que presque n'importe quel agent de santé sait le faire. Juste un appareil qu'on place au niveau du bras après avoir satisfait à la condition dont j'avais parlé au départ, que quelqu'un est détendu, couché au repos. maintenant, il y a, sur le marché, il y a même des appareils automatiques, électroniques. Donc, vous placez seulement, vous, vous appuyez et puis ça vous montre les chiffres. Comme toute maladie, euh, est-ce que l'hypertension a des complications qu'elle euh, peut engendrer à long terme Les complications sont essentiellement de 3 à 4 euh, ordres et ça touche ce que nous appelons souvent les organes nobles, à savoir les cerveaux. Vous avez sans doute vu les sujets paralysés tout d'un côté, ou prendre la bouche complètement tirer de l'autre côté, donc une déviation de la bouche, tout ça. Et ça peut avoir des répercussions sur le cœur essentiellement tout ce qui concerne l'incidence cardiaque, les autres crises qu'on donne, on appelle la, la, fameuse crise cardiaque, euh, les morts subites, etc. Tout ça, l'hypertension peut donner. L'incidence rénale, c'est une des grandes causes euh, de l'insuffisance rénale. Les malades que vous voyez souvent en dialyse, beaucoup, c'est l'hypertension qui les amène dans cet état. Beaucoup d'autres complications, hein, tout ce qui constitue une entrave à la circulation du sang. Le sang, c'est la vie. Donc, euh, comment se fait le traitement de l'hypertension Il y a plusieurs volets. Il y a ce que nous appelons au départ si les chiffres ne sont pas très très élevés, un volet hygiène de vie. Donc l'hygiène de vie, c'est quoi C'est un certain nombre de mesures pour pouvoir euh, essayer de rabaisser les chiffres tensionnels sans avoir recours aux médicaments. C'est le sport, contrôler ce qu'on mange, pas trop de gras, pas trop de sucre et surtout pas trop de sel. Est-ce qu'on peut dire que l'hypertension est une maladie à vie Oui, c'est ça d'ailleurs son problème. Il n'y a pas un ancien hypertendu. Dire que celui-là, il était avant hypertendu. Quand on a hypertendu, pour la vie et on doit se soigner toute la vie. C'est ça sa particularité. On vit avec. Pour l'instant, ça se guérit pas, mais ça se contrôle. La personne peut mener sa vie tranquille, moyennant les mesures d'hygiène de vie et les traitements. Donc c'est une maladie chronique. Nous sommes euh, actuellement pendant une période de forte chaleur période euh, qui, nous savons, n'est pas tellement confortable pour les hypertendus, plus précisément pour les personnes âgées. Donc, euh, qu'est-ce qui leur est recommandé de faire euh, pendant cette période Pour les personnes âgées hypertendues, j'avais dit tantôt que l'hypertension peut avoir des répercussions sur les reins. De la même façon, les fortes chaleurs surtout chez les personnes âgées, chez qui la sensation de soif diminue. Donc, autrement dit, ils boivent moins. Donc, qui sont sujets à ce qu'on appelle un état de déshydratation, donc une perte, d'eau quoi, de l'organisme, sans tenir compte des autres actions, notamment les maux de tête qui vont se voir un peu aggravés, qui des fois chaleur aussi ont des répercussions sur le cerveau. Comment suivre ces personnes âgées pendant cette période de chaleur Il y a notamment une classe de médicaments qui, en forte chaleur, surtout aussi chez nous, qu'il faut essayer de contrôler. Il y a ce qu'on appelle les diurétiques. C'est des médicaments qui peuvent engendrer aussi une fuite de l'eau, une fuite hydrique. C'est vrai, ils soignent l'hypertension. Mais à partir du moment où eux-mêmes ils provoquent une perte d'eau, la forte chaleur provoque aussi la même chose. Donc, ce genre de médicaments, si une personne âgée est sous un diurétique, donc euh, son médecin traitant peut, au besoin, de changer un traitement, surtout en période de chaleur, ou, à la limite, lui conseiller de boire abondamment. À part ces personnes âgées, est-ce qu'il y a d'autres personnes à risque face à cette euh, maladie pendant cette période de chaleur Tout hypertendit en période de chaleur, il y a des petits risques de la majoration des symptômes, surtout comme je le disais, maux de tête, etc., etc. Les enfants aussi ont un peu des problèmes par rapport du, du chaleur, mais heureusement, l'hypertension est un peu rare dans cette tranche d'âge. En gros, ceux qui sont exposés, c'est beaucoup plus les personnes âgées hypertendues sous traitement ou pas. Que faire pour le suivi d'une personne hypertendue en général Et Chez une personne hypertendue, souvent, pour blaguer un peu, souvent je dis, bon, quand tu es hypertendu, tu deviens l'ami de l'hôpital et l'ami des médecins. Puisque la prise en charge de l'hypertension, c'est non seulement les traitements, puis les visites fréquentes. Ce qu'on observe souvent, la personne vient, on lui met un traitement. Il y en a qui disparaissent en train de prendre ça pendant des années. Chaque fois quand ça finit, ils vont à la pharmacie. Ils achètent, continuent. Il y en a qui font 5 ans. C'est vrai, ils sont en train de prendre des médicaments, mais c'est insuffisant. Et les traitements de l'hypertension, c'est plus de médicaments et contrôle. Est-ce qu'on peut parler d'espérance de vie pour les personnes hypertendues Bon, en général, euh, c'est vrai que l'hypertension, y égard aux complications qu'elle développe, souvent même sous traitement, les personnes hypertendues ont moins de chances de vivre longtemps que les sujets indemnes de l'hypertension, puisque euh, c'est une situation un peu contraignante traitement suivi, traitement suivi régulier. vous voulez un traitement à vie, c'est un peu difficile. Il peut y avoir des écarts, ça peut arriver. Il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des négligences, il peut y avoir des oublis. Et tout ça, ça expose à des complications. Mais si la personne respecte son traitement, on peut vivre tranquillement. Merci, docteur. Merci. C'était la docteur Yerima Salifou, interrogée par Nafissa Adamou, notamment sur les causes et les conséquences de l'hypertension artérielle. Ces dernières années, les grandes villes du Niger connaissent un débordement des eaux en saison pluvieuse. Euh, du coup, beaucoup d'inondations sont enregistrées. Qu'est-ce qui expliquerait ce phénomène euh, Tini Younousa, euh, Tini architecte urbaniste, répond. Il est au micro de Omar Hamma. La ville de Niamey a un sérieux problème à l'heure actuelle d'assainissement, surtout en temps de saison pluvieuse. Pourquoi parce que le premier schéma d'assainissement de la ville de Niamey date des années 80. C'était élaboré par les Allemands et financé même en grande partie par les Allemands. Ce schéma était dépassé avant même 2000. En 2001, il y a eu un autre schéma, une étude qui a été faite par la coopération japonaise, JICA. Mais malheureusement, cette euh, deuxième étude n'a jamais été exécutée. C'est resté dans les tiroirs. Et imaginez, depuis 2000 même que l'étude a été faite, jusque-là, ça fait déjà 15 ans que cette étude a été faite et que rien n'a été exécuté. Et avant que l'étude soit faite, le premier qui a été fait par les Allemands était déjà dépassé. Donc ça veut dire que si on remonte euh, jusqu'à quand Niamey aurait dû avoir un schéma exécuté, ça remonte à plus de 20 ans. Donc depuis près de 20 ans ou plus de 20 ans même, qu'un schéma d'assainissement n'a pas été élaboré ou bien révisé, il va de soi ce qu'il y ait des problèmes. Une ville, c'est comme un être humain. Tout se planifie après la naissance, on programme d'inscrire l'enfant, suivre ses études jusqu'à engranger les diplômes et commencer à exercer. La ville aussi, c'est comme ça, ça doit être pensé. Si on sait que la ville doit s'agrandir, il faut aussi penser à suivre ce phénomène d'urbanisation par les services d'accompagnement, à savoir euh, les schémas d'assainissement, les schémas de voirie, réseaux eau, électricité, tout ça là doivent suivre. Mais malheureusement, il n'est une cachette pour personne qui vit à Niamey que tout ça là ne suit pas. Les premiers collecteurs qui ont été faits datent des années 80, les derniers je veux dire, date des années 80. Et depuis lors, il n'y a plus eu de collecteurs. Les quelques caniveaux que vous voyez se réaliser dans la ville, ce ne sont pas des collecteurs. Ce sont des caniveaux qui sont réalisés pour les aménagements des voies, les goudrons qui sont en train d'être faits. Parce que quand vous aménagez une voie en butime, vous êtes obligé de faire un caniveau à côté pour recueillir les eaux de surface de cette chaussée. Donc c'est ce genre de caniveaux que vous voyez en ville. On les fait petits. C'est uniquement pour recevoir les eaux pluviales des chaussées et les drainer vers les exécutoires. Mais il n'y a pas de collecteurs. Donc le problème majeur aujourd'hui, c'est le manque de collecteurs Oui, tout à fait. Si vous essayez d'analyser ou bien de sillonner la ville de Niamey, vous allez voir tous les nouveaux quartiers, il n'y a aucun qui a un collecteur qui draine les eaux pluviales euh, des ponts les plus hauts jusqu'au aux exécutoires ou bien les ponts les plus bas. Il n'y en a pas. Ce qui fait que la ville s'est agrandie. Il n'y a pas eu ce, ce suivi en assainissement. Donc toutes les eaux recueillies dans les nouveaux quartiers sont drainées vers les premiers collecteurs qui, malheureusement, sont dépassés parce qu'ils n'ont pas été dimensionnés pour accueillir de tels flux. Donc, si on allait faire ajouter d'autres, on devrait revoir l'étude et le dimensionnement des premiers là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que quand il pleut dans les nouveaux quartiers, c'est le sable et les ordures que les gens versent dans la rue qui sont drainés par les eaux pluviales et qui viennent boucher les premiers collecteurs. Et bonjour le dégât. Quand les collecteurs, euh, les anciens même sont bouchés, ça veut dire que que les eaux pluviales ne peuvent être euh, déversées ou se que sur les voies publiques ou bien dans les maisons des paisibles citoyens. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Est-ce que ce phénomène-là n'est pas lié au manque de respect du plan urbanisme Bon, quand vous dites ce manque euh, du respect du plan l'urbanisme, d'abord, pour répondre à votre question, il n'y a même pas de plan d'urbanisme. Je suis désolé. Je dis, il n'y en a même pas, je suis désolé. Le premier schéma directeur qui a été fait a été conçu par euh, le président Kounke en 1984 et qui a expiré en 96. Et ça s'arrête. L'évolution de la ville était pensée aux limites de la ceinture verte. Aujourd'hui, qui va me dire que la ville n'a pas dépassé la ceinture verte Peut-être même ce qui est derrière la ceinture verte dépasse même ce qui est à l'intérieur de la ceinture. Donc, le premier schéma d'urbanisme, le schéma directeur qui a été fait, a été expiré en 96. Et ses limites, c'était au niveau de la ceinture verte. Mais malheureusement, aujourd'hui, la ville a dépassé de loin la ceinture verte et il n'y a pas eu depuis lors un autre schéma qui va fixer l'orientation de la ville. Malheureusement, toute l'extension que vous voyez derrière la ceinture, ce sont des lotissements, la plupart euh, euh, privés, qui malheureusement n'a même pas un bon suivi des autorités en charge. Je sais de quoi je parle. C'était la Tini Younous, architecte urbaniste, relativement aux causes des débordements des eaux en saison pluvieuse. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir.